waxtaan ci temu société reetaanloo leen ak ay humoriste indil leen naanaan bu leen di waxtaanal talaata Rama Touré wuutu ko waxtaan ak yéen ci wérgu yaram ak jàngoro yi faral di dale alxemes Francesca moo moome dina leen indil thème du jour maanaam waxtaan ak yéen ci lu soxal askan wi. takkusaanu jeeg ji jant ji ak njëgmaar yi waaye nag suñu borom kër yi ci lañ bokk. seen émission takkusaan ku nekk dina ci gis boppam gannaaw ay sëtu Sarr Rama Touré ak Francesca di ngeen ci xamanteeg ñu bees ñu indi leen ay rubrique yu am solo émission takkusaan ci RTS dina am ayubés bu ne su fukki waxtoog juróom benn jotee ci ngoon 11 mars 2016 et c'est le dernier numéro de Kenkeliba de cette semaine. Un numéro que nous consacrerons exclusivement à nos invités. Nous en avons quatre ce matin. Vous l'aurez compris, ce sera un numéro éminemment culturel. Euh, nous irons dans le Kassai. Euh, nous parlons aussi avec les serrères, les poulards. Apparemment, toutes les ethnies se retrouveront ce matin sur Kenkeliba. Euh, vous l'aurez compris, nous avons ce matin le plaisir de recevoir le groupe Lephonie. Quand on parle du groupe on pense à la Casamance, mais surtout on pense à ce creuset euh, de nations, d'ethnies, de cultures qu'est le Kassai. Alors j'ai le plaisir ce matin de recevoir euh, deux grands noms euh, du groupe Lephonie. Tout d'abord, Monsieur Bakary Colli. Merci Monsieur Colli d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Merci fille et Madame euh, Marie Sané. Merci, Membre du groupe Lephonie. Alors évidemment, superbement drapé hein, dans les pagnes traditionnelles Jola. On découvrira tout ça euh, tout au long de ce magazine. Mais déjà, euh, Monsieur Colli, vous êtes le manager du groupe Le Un mot sur la troisième édition du Carnaval de Dakar. pour cette, cette, troisième édition du Carnaval, que nous organisons le 13 dimanche prochain, euh, nous invitons tout le pays, tout le Sénégal à venir assister à, ce grand événement culturel, n'est-ce pas, qui regroupe toutes les sensibilités, n'est-ce pas, de, de notre euh, riche patrimoine du pays, n'est-ce pas, à la place de l'obélisque. Euh, donc, euh, nous nous faisons gratuitement pour notre pays mhm. et dans euh, une contribution, n'est-ce pas, pour le développement culturel. Évidemment, on va en reparler dès 7h ou même un peu avant. Avant cela, vous aurez les chroniques habituelles, météo, horoscope, évidemment, la page actuelle qui a toute son importance avec le flash et le journal présenté par René Léon. D'ores et déjà, je vous propose de parler d'horoscope avec Nafisa Ayer. Un peu de repos vous aurez bien vidé la tête, mais voilà, vous ne tiendrez pas en place. Il faudra toujours vous agiter, c'est vrai après tout, pourquoi rester zen alors qu'on peut faire 10 000 choses en même temps Taureau, vous pourrez espérer un week-end détente plus parfait à passer au bras de votre moitié. Il y aura une envie de déménagement et de dépenses de toutes sortes. Tant pis pour le portefeuille, vous ferez attention la prochaine fois. Gémeaux, la découverte et la sensualité iront de mèche avec vos émotions débordantes et celles-ci seront partagées naturellement. Toutefois, cette charmante personne est si mystérieuse. Vous vivrez quelques doutes qu'il faudra clarifier rapidement. Cancer. Vous aurez envie de tout plaquer et de tout recommencer ailleurs. En particulier, votre partenaire qui vous sort par tous les trous du nez pour être clair, donnez-vous encore un peu de temps pour savoir de quoi il en retourne exactement. Lion, votre humeur sera ronchonne et tout ce que vous pensiez pouvoir faire ce week-end tombera à l'eau. Il y aura des crises de nerfs au programme et peut-être même des menaces de rupture de la part de votre moitié. Vierge, le week-end suivra la mouvance de la semaine et vous ferez chauffer la carte bleue pour changer la décoration de votre nid d'amour, à moins que vous ne préfériez visiter une nouvelle maison. Balance, un peu de détente au grand air avec votre partenaire vous fera le plus grand bien. Malgré tout, vous pourriez remettre en question votre relation par rapport à son comportement peu rassurant avec vous. Scorpion, le week-end permettra de vous remettre en question dans vos impulsions qui ne sont pas de bonnes pour vous. Il y aura de longues discussions avec un ami. Il sera même question de commencer un travail de conscience. Sagittaire, un week-end tendre et rassurant vous attend avec tous les ingrédients pour être heureux à deux. Vous pouvez vous réjouir d'avance sur ce qui vous est réservé. Les sentiments seront partagés et les projets seront nombreux. Capricorne, l'humeur sera aux échanges empreints de sensualité. Vous vouliez une relation forte et stable Eh bien, vous l'aurez. Soyez-en sûr, Votre cœur battra la chamade pour de bon cette fois-ci. Vous ne pourrez pas passer à côté. Verso, vous vous sentirez touché dans votre estime de vous de la part de plusieurs amis, dont vous vous seriez bien passé. Votre réputation s'en verra endommagée. Quant à votre moitié, ce ne sera plus comme avant. Poisson, voilà le moment venu de vous déclarer à cette charmante personne. Vous aurez un peu le trac, il faut le dire, mais vous tenterez le tout pour le tout. Si vous êtes déjà en couple, il y aura un retour de flamme ou une seconde lutte de miel. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée Merci Serre, excellente journée à toi. L'horoscope euh, que nous retrouvons dès lundi. À présent, je vous propose de parler d'actualité ce matin avec René Léon qui nous a rejoint. Bonjour René. Bonjour Nafi, tout en saumon ce <laughs> matin. Oui, saumon. On est au taquet, j'espère. Au taquet. Comme tous les vendredis. <laughs> Comme tous les vendredis. C'est le dernier jour de la semaine. Je te taquinerai à la, fin. D'une semaine assez colorée, d'une semaine assez, assez remplie. Et puis voilà, traditionnelle traditionnelle. Et ton journal à 6h37, en tout cas l'essentiel avec euh, tes titres. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, cette <laughs> visite en Arabie Saoudite du chef de l'État Macky s'est entretenu avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées. dont la foulée, le président de la République a pris part à la cérémonie de clôture des manœuvres au tonnerre du Nord il s'agit d'un exercice destiné à préparer les troupes de la coalition des pays arabes et musulmans à faire face aux groupes terroristes. Dans l'actualité, également la clôture hier du Next Einstein Forum. La première édition de cette importante rencontre scientifique a réuni des chercheurs, enseignants et sommités intellectuels du monde entier. L'objectif est clair, faire de l'Afrique la prochaine plateforme pour les sciences on verra tout cela dans un instant. Dans un instant aussi, la chronique du jour sur l'insuffisance rénale chronique. Elle est de plus en plus répandue L'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque connus. Quand la maladie s'installe, il faut recourir à la dialyse. Aujourd'hui, on envisage la transplantation. Omar Diao nous en dira plus. Voilà pour le menu de ce vendredi 11 mars 2016. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes aux environs de 7h05. Absolument. Merci René pour nous avoir donné l'essentiel de ce qui sera ton journal. Je vous propose tout de suite d'entrer de plein pied dans euh, la culture ce matin avec euh, le groupe Le Lephonie. C'est parti, mais avant cela, <laughs> j'ai hâte hein, de parler avec le groupe Le Lephonie. Avant cela, on va faire quelques exercices physiques avec euh, la gymnastique. Voilà, mesdames et messieurs, avec la dernière capsule de cette semaine, nous allons vous proposer ce qu'on appelle l'exercice combo. Alors, l'exercice combo, c'est une succession d'exercices évidemment par certains exercices, vous avez l'habitude euh, de les voir et d'autres non. Mais toujours est-il que c'est des découvertes avec le professeur euh, Ba euh, qui va donc nous dire exactement un petit mot avant de démarrer sur l'exercice combo. C'est une combinaison d'exercices qui constitue un travail de résistance intensité, donc qui est très intéressant à tous les niveaux, particulièrement pour les athlètes de très haut niveau mais aussi euh, au niveau des, salles de fitness, des gens qui se sentent vraiment en forme peuvent le faire. Donc ceux qui, les sédentaires, donc les gens qui ne, font pas beaucoup d'exercices, vous pouvez le faire, mais à un niveau un peu moyen. Donc là, il y aura une combinaison de tous les exercices. Donc là, il y a le squat, on fait le squat, et en même temps, vous voyez, il descend, il a une charge avec lui. 4, 3, 2, 1 et 0. Donc euh, là, avec cet exercice combo, euh, décidément, eh bien, on va faire beaucoup de variantes euh, et qu'ici, avec, euh, il va mettre les pieds sur la plateforme. Et c'est toujours l'enchaînement avec l'exercice combo. ça repart avec cette autre variante. Et donc voilà, avec euh, justement ces, poids qui sont amenés vers le haut. Et là, c'est fait partie également des variantes, euh, surtout avec cet exercice combo dont on a parlé euh, tout à l'heure. Alors regardez, avec, alors croyez-moi, ces poids, ça fait, c'est du lourd, hein, c'est du lourd véritablement avec ce poids. Mais là, c'est vrai que quand on regarde, on ne le sent pas, mais avec euh, justement de proposer à cet exercice, croyez-moi, évidemment pas du tout facile. Hein. Et donc, exercice combo vous avez certainement retenu ce mot, et décidément avec le professeur Ba. Alors regardez encore une fois, on n'est pas parti aux États-Unis pour rien avec cette pléiade véritablement que nous regardons ici, que nous admirons. Alors professeur, félicitations. Merci Tandara, je suis vraiment fier de vous avoir ici et vous faire savoir que je suis là pour le Sénégal, je suis là pour euh, le CNP Altérophilie, et musculation et pour le ministère du Sport. Donc euh, je vous dis que votre ami Habib est de retour. Donc entraîneur de football, expert en fitness. Euh, comme vous avez vu, on a fait un travail de combinaison d'exercices qui est un travail vraiment de résistance intensité. C'est pour les athlètes de haut niveau. Donc euh, qui que vous soyez ou, n'importe quelle, quelle discipline que vous faites, donc vous êtes vraiment invité à ces exercices-là à 100%. Vincent et toute son équipe que nous aurons le plaisir de retrouver dès lundi et mercredi, ne l'oubliez pas. Ce sont euh, des chroniques in situ, une chronique in situ pardon, qu'il vous propose, histoire de davantage euh, de vous faire partager son expérience. À 6h43, on poursuit ce magazine. Je vous l'annonçais déjà, un magazine éminemment culturel ce matin que des artistes. Et, c'est tout à l'honneur du Sénégal parce que vous le savez, euh, si la destination Sénégal est prisée, c'est aussi parce que nous avons des cultures. Nous n'avons pas une seule culture, mais des cultures et surtout des cultures eh bien, qui communiquent et qui commercent également bien. Alors ce matin déjà en guest star le groupe Le Lephonie, mais aussi euh, les a rejoints, les, euh, Coléa. Coléa, bonjour. Bonjour. Alors Sama Diamond, si vous n'avez pas encore vu ce son ou écouté ce son, alors vous avez vraiment raté un excellent son. On en parle tout à l'heure, mais déjà un mot, euh, Coléa, sur, sur votre carrière et peut-être vous présenter davantage aux Sénégalais qui ne vous connaissent pas encore. C'est vrai que vous êtes plutôt du côté de Milan, de l'Italie. Bonjour, euh, je m'appelle Coléa et je vis en Italie. de pour euh, pour def pour en français en français pour que nos téléspectateurs puissent mieux vous écouter. ah bien sûr mais je euh, je suis pas très fort en français. il n'y a pas de souci on va on enfin nous tous on se débrouille en français. bon <laughs> je suis venue ici au Sénégal pour pour faire la promotion de de mon single. oui et aussi pour pour pour lancer un autre single avant de rentrer. Parfait. J'imagine que vous parlez mieux italien que français. Oui, c'est -ce ça. Pas? On vous donnera l'occasion eh bien, de faire un coucou euh, du côté de Milan, Milan, capitale de la mode internationale. Allez, c'est parti avec le groupe Le Euh, je vous l'annonçais, M. Euh, Monsieur Bakary déjà nous en parlait. Le carnaval de Dakar, euh, c'est un vrai creuset culturel. Alors déjà, un mot sur les éditions précédentes parce que vous en êtes à votre troisième édition. Quel est le, potentiel que renferme justement ce, ce grand rendez-vous vous de la culture et des arts Voilà, c'est... Comme je, l'ai dit tantôt, nous, sommes à la troisième édition. Mais les, les éditions précédentes, quand même, euh, ont été bien exécutées. Et euh, la première et la deuxième. Euh, pour la première, j'étais assistant, mais pour la deuxième, j'étais le manager. Mhm. J'ai pris les rênes. Et vraiment, ça s'est bien déroulé, toujours à la place de, de l'obélisque. Et donc, on l'a vu, le carnaval de Dakar, c'est aussi l'occasion euh, de connaître, euh, comme son nom l'indique d'ailleurs, euh, de connaître certaines grandes artères de la capitale. D'ailleurs, vous avez tout un parcours euh, donc, à faire avec le Carnadac, comme vous l'appelez. Euh, donc le carnaval qui se passera au boulevard Général de Gaulle d'abord. Ensuite, euh, il, elle ira, ou en tout cas, donc, il ira au niveau des allées du centenaire. Pourquoi avoir choisi des parcours spécifiques quel, est le message que vous voulez lancer à travers ces parcours Voilà, comme c'est un carnaval du groupe Lofoni, mais ce carnaval n'appartient pas au groupe Lofoni, il appartient à tous les Sénégalais. Et comme vous voyez, à la place de l'indépendance, euh, euh, euh, plutôt au 4 avril, mhm. le parcours est organisé dans ce sens-là. Et nous avons pris, n'est-ce pas, puis inspiré de ce parcours, mhm. n'est-ce pas, pour essayer n'est-ce pas, de, quand même d'inviter tous les Sénégalais. C'est accessible, n'est-ce pas Et voilà, c'est pour les Sénégalais que nous le faisons. C'est pour cela qu'on a osé. Parce qu'il faut voir en grand, il ne faut pas voir en petit. N'est-ce pas Quand on fait quelque chose, il faut avoir de l'imagination, de l'inspiration, et n'est-ce pas Voir en grand, n'est-ce pas Faire les choses, n'est-ce pas Comme vous l'entendez. Mm-hmm. C'est pour cela qu'on a dit, tiens, pourquoi se concentrer, se focaliser quelque part, alors que c'est pour tout le pays Donc on va utiliser tous les moyens quand même pour, n'est-ce pas, l'accessibilité d'abord, et aussi et faire participer tous les Sénégalais à, ce grand carnaval. Alors évidemment, c'est un grand carnaval, d'autant plus que vous le tenez à Dakar, une capitale quand même qui compte plus, presque 3 millions d'habitants maintenant. Euh, quel est le message que vous voulez faire lancer, que vous voulez lancer pardon, euh, à travers euh, ce Carnadac ici même, étant entendu que vous êtes aussi les porte-étendards de la culture, on va dire, du Sud, de la culture casamanceaise Oui, c'est-à-dire que tout Sénégalais, dans son domaine, doit travailler le développement de son pays. Donc nous, en tant qu'acteurs culturels, mhm. euh, on a dit que c'est... Et surtout, euh, vous voyez le tourisme, qui c'est un développement vraiment, les autorités sont en train de faire tous leurs sacrifices euh, tout leur sacrifice pour essayer de développer ce secteur. Mais ce secteur aussi, nous nous disons, en tant qu'acteurs culturels, mhm nous allons mettre la main dedans. Un rôle à jouer mhm. n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, pour le développement de notre cher Sénégal. Parce que le Sénégal ne peut pas marcher seulement avec ses autorités, mais avec tous les citoyens de ce pays. Chacun a une pierre à porter dans ce développement du, pays. Donc, ce n'est pas euh, euh, les autorités seulement. C'est pour cela qu'on invite tout le monde dans ce sens pour venir même avec assister c'est un carnaval qui va passer dans les éditions précédentes, ça se faisait au mois de janvier. Mais euh, par rapport au travail que nous faisons, on a eu des conseils qui les gens se disaient non, mais le mois de janvier c'est trop juste, etc. Donc le mois de mars, etc. Hein. Donc finalement, on a poussé pour le mois de mars. Tout ça pour avoir le maximum de personnes pour les faire participer à ce grand rendez-vous culturel. Alors on va aussi hein, parler, parce que qui parle de culture euh, euh, parle de tradition, euh, on va certainement retrouver le samaï ou encore le kumpoi, autant de, on va dire, de rites donc, du Sud. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'importance de ces, rites, sur l'importance justement de pouvoir maîtriser, notamment pour la jeune, jeune génération, toutes ces traditions euh, on va dire, euh, jalousement gardé euh, par vous autres Oui, je crois qu'un aspect culturel doit être quand même être su par, tout le monde. Le compo c'est, je dirais pas, c'est quelque chose quand même, pour ne pas dire entrer dans les fonds, mm-hmm. où quand même le masque quand même est sacré dans, nos milieux. Mhm. Donc euh, le compo, c'est cet être qui est là, qui danse avec de jolies danses, etc. Donc on, et on ne voit pas le visage. On ne voit, pas, le visage, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, euh, on va dire, cette tradition, pourquoi cette danse Parce qu'on sait que dans les traditions, chaque danse a une fonction spécifique. Quelle est la, fonction principale, surtout la fonction sociale du Kumpoï oui, du, du coupeau, c'est... Là, c'est... En général, euh, dans nos villages, euh, le coupeau, on, on, le fait après les récoltes. Donc les gens s'y retrouvent, n'est-ce pas, après les récoltes, n'est-ce pas, pour quand même... Euh, se divertir, etc. voilà, après de dur labeur, après des moments de dur labeur, on se etc., pour partager euh, la joie. Exactement. Donc d'avoir pu récolter euh, les fruits de ces labeurs. Voilà, exactement. D'accord. Évidemment, les femmes aussi jouent un rôle capital, on va dire essentiel dans le Casa. Et, Mme euh, Madame Marie Sané ne me dira pas le contraire. les femmes casamancaises sont connues d'abord pour leur bravoure, mais aussi évidemment leur sens aigu des responsabilités. Mme Madame Sané, comment vivent ou comment en tout cas composent les femmes du FONI avec euh, donc euh, le reste de la société. Est-ce que vous aussi, en tant que femme, vous avez un message à lancer euh, en direction justement de ces millions d'autres femmes qui ne sont peut-être pas casamançaises, mais peut-être qui se voient en vous en tout cas, qui aimeraient avoir les valeurs de la femme casamançaise Je salue tout le monde. la hein. La femme casamance, bon, si mon habillement Casamance, c'est comme ça d'abord. Tout à fait, oui. Donc déjà par l'habillement, vous valorisez euh, donc euh, la femme casemanceuse, évidemment parce que c'est aussi euh, une femme qui, j'imagine, a un rôle social grand, ça on l'a dit, même au niveau des champs, au niveau de l'agriculture, ce sont les femmes casamancées quand même qu'on voit en premier. Hein. Qu'est-ce que cela signifie Les champs de Casamance. Oui. Bon, ça signifie, bon, euh, ça signifie, bon, comportement, dignité. Absolument. bon habillement. Oui. Bon, euh, respecter les gens aussi. Bon, il y a, y a beaucoup de choses qu'on peut dit en Casamance, comment les femmes comportent en Casamance. Absolument. Très bien. Donc en tout cas, en plus, hein, en plus de dire évidemment que les femmes casemancées sont belles, ça, c'est euh, même et eh bien, une redondance que de le dire. Quand on parle de femmes casamancées. on, parle on pense à la beauté. Évidemment, on a eu aussi, euh, tout au long euh, de cet entretien, eu à écouter quelques, quelques productions, justement, du groupe Le Alors, artistiquement, où est-ce que vous en êtes, Monsieur Bakary Quelles sont vos ambitions, en tout cas quels sont les projets pour 2016 pour le couple Phonie Pour, nos, objectifs, euh, d'ailleurs, il y a le dernier CD qui, est déjà fait, n'est-ce pas Il est déjà fait. Euh, euh, donc, c'est ça. On a, beaucoup de projets en vue, n'est-ce pas le projet surtout, parce que les gens sont tentés de dire que le foyer euh, est, mort, <laughs> entre guillemets. Pourquoi Mais ils le, disent Voilà, c'est ça. Pourquoi ils disent que le fournier est mort Ils disent que le Alors qu'il est bien vivant, vous êtes là nous, nous, sommes bien vivants, n'est-ce pas euh, C'est parce que, bon, euh, on travaille, on travaille, et nous, nos productions, c'est pas, on ne les fait pas en, en, en, on les prépare sérieusement. D'accord. Sérieusement, notre grand Mamoudou guillemets il est très méticuleux dans le travail. Donc, euh, euh, euh, si vous travaillez, vous avez l'impression qu'il est, il est difficile. Mais après, au bout du résultat, mhm. vous verrez que c'est un grand monsieur qui fait bien les choses, n'est-ce pas très rigoureux dans le travail. Et d'ailleurs, euh, donc il a dit un mot euh, justement en direction de ce futur carnaval. Il disait, il dit une, ambition est démesurée euh, si la volonté de réussir ne l'accompagne pas. cela veut dire tout simplement que vous avez cette volonté évidemment en bandoulière, vous la portez en bandoulière comme vous portez si joliment les pagnes ce matin. Oui. Donc voilà, comme vous venez de citer, de le citer c'est exactement son, comportement. Son comportement, parce qu'il a eu à travailler avec euh, Léopold Sédar Senghor, il a eu à travailler avec Abdou Diouf, il a eu à travailler avec Abdoulaye Wade. Donc c'est grâce à son métier et qu'on l'a connu. Donc il travaillait, et, une anecdote, il disait, Madame Elisabeth lui disait des fois, euh, monsieur Mamadou, mais il faut vous reposer, il ne faut pas, etc., etc. Mais lui, il n'est jamais, il dit, moi, moi, je ne suis jamais satisfait de mon travail. D'accord, donc c'est évidemment, euh, comme on l'a dit, la, la, principale valeur aussi évidemment du Kassai, c'est le travail. Le travail, euh, voilà. Oui, et aussi peut-être revenir, euh, parce qu'on est toujours dans le siège de la journée de la femme, et c'est d'ailleurs pourquoi on a tenu à inviter ces, ces six belles dames ce matin. Aujourd'hui, quel est le, message que le groupe Le Fony lance justement en direction du genre, de la parité Est-ce que vous, au niveau de vos productions musicales, au niveau de votre travail au quotidien. Est-ce que vous prenez ces valeurs de respect de la femme et surtout aussi euh, de promotion euh, d'une image, euh, donc d'une bonne image de la femme Est-ce que vous prenez ces valeurs au sein du groupe Le Oui, Nafi, la femme sénégalaise en général, elle est très digne, travailleuse, n'est-ce pas Et vraiment, je crois que les autorités d'ailleurs s'y mettent par rapport au travail des femmes. Et le foyer n'est pas aussi en reste. Euh, dans nos productions, je crois, il y a une production, même qui, vient, qui doit venir, qu'on va parler de, la femme sénégalaise. Et, ce ça, cette production Vous n'avez pas encore euh, le titre. Ou sinon, est-ce que vous pouvez nous parler aussi euh, des précédentes productions qui ont eu à parler de la femme Est-ce que dans, vos chansons, dans vos productions anciennes, vous avez eu à traiter du sujet de la femme Et comment ah, là, je crois que Marie, euh, pour la femme, à, votre honneur, je ne refuse pas la question, mais à son honneur... Euh, c'est quelle chanson euh, que vous avez eu à, faire en, l'honneur des femmes Est-ce que vous avez chanté la femme au, sein du groupe Phonie Si, la femme, c'est... bon, en attendant... Oui On a chanté une femme pour avoir un enfant comme ça. D'accord. Hein? le Donc titre. les... Pardon le titre, c'est le... Euh, c'est la femme qui allait, non Oui. Très bien. Donc, vous avez chanté euh, la femme euh, épouse, mais surtout mère aussi, capable de donner la vie et surtout de donner beaucoup d'amour. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, groupe Le Lephonie. Évidemment, on reste avec vous. On va suivre des images du, du carnaval de Dakar. C'était les éditions précédentes. ne. Anyi na de Dakar édition 2015 et cette édition 2016 aura lieu dès ce dimanche. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette présente édition euh, Monsieur Bakary quels seront les temps forts de cette euh, édition Les temps forts de cette édition, euh, c'est d'abord précisément le, défilé commence à 15h. Mhm. Donc, on aura une trentaine de groupes. Imaginez une trentaine de groupes ah. dans un carnaval. D'accord. Donc des groupes évidemment avec euh, diverses ethnies euh, voilà. et sensibilités culturelles. Effectivement. D'accord. Comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, il y aura les peuls, il y aura les tout couleurs, il y aura les serrères, nos, comme on le dit, les bassaris, <laughs> <laughs> les bassaris, euh, <laughs> avec euh, euh n'est-ce pas Les Lébous. Donc, euh, on a toutes les sensibilités. Et vraiment, euh, le ministre de la Culture doit présider cette séance de cette année. Mhm. Et ces dernières éditions, il n'y avait pas le ministre, n'est-ce pas Mais je crois que cette année, mhm. on l'a d'abord d'ailleurs adressé une correspondance. on n'a pas encore reçu la réponse, mais nous croyons vraiment que cette année, euh, sa présence sera effective. Parfait. En tout cas, euh, nous, nous y serons d'ailleurs, la RTS, comme on y a été l'année dernière. Euh, donc, euh, évidemment, la culture casamanceaise sera encore une fois magnifiée à travers le carnaval de Dakar et notamment dans plusieurs artères de la capitale, comme j'ai eu à le rappeler tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Bakary Colli, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Madame Marie Sané, membre du groupe Lephonie. Allez, on va poursuivre à 7h03 avec, oui, vous voulez... Un dernier message euh, Allez-y. Euh, vous remercier. Hein. Et cette émission, Kenkeliba, c'est une émission que moi je suis tous les jours avant d'aller au travail. Merci. Donc le premier journal, je le suis avec Kenkeliba. Oui. Et avec Léo euh, René Fonseca qui, vient de, présenter l'introduction de son journal. Tout à fait. Donc c'est une émission vraie. On est bien accueillis à la maison mère, la RTS n'est-ce pas, la maison mère de toutes les, télévisions. Absolument. Merci beaucoup. <laughs> Et nous sommes là aussi pour toutes les cultures. Et d'ailleurs, on en profite aussi euh, pour saluer euh, de l'autre côté, c'est-à-dire du sud du pays. On y était l'année dernière. Alors, nos amis de Cabrousse, nos amis de Djambereng, nos amis, euh, on va dire, de Ziguinchor, évidemment, toute la Casamance, Kasoumaï. Et eux, ils disent, ils vont dire Kasumaï Kep. Voilà, Kasumaï merci. <laughs> merci aussi à 7h04 minutes et puis une autre dame Jola de Kinkeliba. Et eh bien, c'est Fantabadji que nous saluons au passage. Elle, est fière de sa culture. Allez, 7 h 4 minutes, un temps point musical. Et puis, après, on revient avec notre deuxième invité. Donc, je vous l'avais dit, il s'agit de Coléa. Alors, elle nous vient euh, du sud, mais pas du sud du Sénégal, du sud de l'Italie, de Milan précisément. Alors, Coléa, déjà, euh, on va revenir avec vous sur votre parcours. Alors, vous êtes depuis 2008 euh, en Italie vous y faites vos études. Alors j'imagine que si vous voulez, on va, on, va parler italien pour euh, plutôt Ben, Bien, bene, Alors bon, j'ai pas, pas un italien <laughs> vraiment très limpide, mais bon, on va revenir en italien tout à l'heure, je vous le promets. Après ceci. évidemment, on est très heureux ce matin de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes superbement habillée. Euh, c'est Milan qui vous inspire euh, C'est la capitale de la haute couture. Non, non, aujourd'hui, je, je, suis une femme sénégalaise. sénégalaise. Alors déjà, avant de, parler de, votre carrière, on va parler de vous, on va s'intéresser euh, donc euh, à votre personnalité. comment déjà conciliez-vous le fait de faire des études Comment alliez-vous études et carrière musicale Et qu'est-ce que vous faites déjà comme études à Milan euh, je poursuis, euh, je suis en train de, faire du, du tourisme. D'accord. Oui, depuis, depuis 5 ans. Euh, je pense continuer l'année prochaine. je pense que j'irai en France pour, pour continuer là-bas mes, mes études. Mm-hmm. Inch'Allah. Et toujours les langues, la géographie aussi. donc, je pense que je peux faire euh, musique euh, et étudier. Genre, je veux faire la, musique et étudier en même temps parce que c'est ce que je veux. Donc, euh, je pense réussir, Inch'Allah. Et ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, ce que Coléa veut, Dieu le veut. Alors, Coléa, votre musique, on l'a vu assez international avec des rythmes. Où est, le malheur dans votre musique est-ce qu'elle est, là Ou est-ce que qu'est-ce que vous avez fait du malheur euh, <laughs> Vous l'avez caché où non, euh, je, pense que je ferai du malheur Ça, c'est pas du malheur non, absolument pas. Donc, je pense que je ferai du malheur Donc, mm. euh, pas maintenant. Pas maintenant. non, non, du tout. Alors, on va parler quand même de Black Diamond. Mm. On l'a vu, euh, un très joli clip d'ailleurs au passage. Félicitations. Mm. Qu'est-ce qui a motivé cette chanson, ce single, qui j'imagine annonce un album Sama Diamond. Oui, Sama Diamond. Pardon, et pas Black Diamond. T'inquiète pas. <laughs> non, euh, je pense que je vais, je vais lancer l'album, mais pas maintenant. D'accord. Euh, en, en, décembre prochain. Euh, je vais lancer un autre single avant de rentrer qui s'appelle 2012. Mhm. je, je, pense que je vais lancer un autre clip avant de rentrer en Italie. D'accord. Parce que pour l'instant, il y a, un moment qui, qui m'appelle tout le temps et qui me dit tu dois, tu dois rentrer, non Je ah, suis là. Oui, non, parce que je suis là depuis, depuis décembre. donc. Ah oui, ta maman, elle vit en Italie Oui, j'ai toute ma famille ah là-bas. Oui, vos parents, toute la famille est en Italie, d'accord. Donc je, vais lancer un autre clip avant de rentrer. Après, je vais lancer euh, l'album Inch'Allah euh, en décembre. En décembre. Alors, Sama Diamond, pourquoi euh, Vous avez perdu un diamant ou <laughs> Non, j'ai un diamant maintenant. Magnifique, waouh Et il est où ce diamant Il est ici au Sénégal. Parfait <laughs> Ok, alors bah, bah, c'est parfait, hein. moi je, reste en voix avec euh, cette euh, si belle déclaration d'amour. Alors justement, on va parler d'amour parce qu'on est euh, dans, le, dans, mois de la femme qui parle de femme parle d'amour. Est-ce que vous, vous pensez que justement les femmes ont encore cette force avec ce monde vraiment bouleverser, on va dire, cette mondialisation que, les femmes ont toujours voix au chapitre, justement, euh, pour montrer euh, qu'elles comptent euh, aussi bien au, niveau de la musique qu'au niveau de la politique, au niveau des arts. Est-ce que vous, vous êtes fière d'être femme dans la musique Bien sûr. et je pense que sans les femmes, rien ne marche. Donc ça dit un peu tout. Donc nous, sommes, indispensables pour tout. Donc euh, dans la musique, dans la politique aussi, partout, partout dans la mode. Euh, euh, je peux dire que chaque chapitre qu'on ouvre ici, il y a la femme dedans, donc elle est, indispensable, elle est... Voilà. Donne ce la vita, c'est ça, comme on dit en Italie Non, non, capita. Donne ce la vita. Non. Les femmes se sont, c'est la vie ou non J'ai fait une faute de, grammaire, non La donne est importante. La donne est importante. Est importante Nella vita. Nella vita. Mm. Très bien, donc la femme est importante dans la vie. Allez, aussi important certainement euh, donc, que vos autres passions, parce que vous êtes aussi une passionnée de la mode et aussi une passionnée des cosmétiques. Qu'est-ce que, selon vous, euh, qu'est-ce qui lie euh, mode et musique pourquoi avoir choisi ces trois branches, la mode, la musique et aussi les cosmétiques parce que l'image de l'artiste est, très importante. Euh, je pense que c'est la matière première de, l'artiste. Donc euh, je pense que euh, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une si belle voix. Il faut, il faut aussi savoir s'habiller ou avoir des conseils aussi ou tenter aussi de, s'habiller parce que je pense pas que les, les personnes euh, vont regarder, une per, euh, admirer euh, la personne quand, quand elle ne respecte pas comment elle s'habille. Les codes vestimentaires Voilà, d'accord. Je pense que c'est très important. Parfait. Et d'ailleurs, ça c'est de au niveau, ça a traversé les siècles, hein, donc le fait de s'habiller, évidemment, a traduit aussi euh, la personnalité de la personne, même si par ailleurs, qu'on dit, euh, si on dit que l'abus ne fait pas le moine, mais effectivement, euh, dans le monde des arts, eh bien, l'habillement compte, comme d'ailleurs nous l'ont si bien montré ce matin les membres du groupe Le Phonique drapés de Pagne du Sud. Allez, collé à 7h13, évidemment, on va revenir sur vous. On revient aussi, on va aussi parler donc de sections d'assaut, mais à travers euh, donc euh, l'EFA, donc un des membres de section d'assaut, vous le savez, qui est au Sénégal et qui sera en concert à Dakar. On va aussi parler de sa carrière. On va aussi évidemment euh, parler de ses projets musicaux. Allez, 7h13, on va encore écouter un morceau de Sama Diamond, signé Coléa. Coléa qui est là. Donc Coléa, on va quand même euh, parler de l'Italie, parce qu'on ne va avoir une Italienne sur le plateau sans parler de l'Italie. <laughs> Euh, comment ça se passe euh, du côté de, Milan avec les Sénégalais Est-ce que les Sénégalais sont vraiment intégrés dans, on va dire, dans le microcosme italien Je peux dire que n'est pas facile de s'intégrer en Italie, mais une fois qu'on est intégré, ça va donc euh, du côté du travail, euh, de l'école aussi. Mhm. Euh, c'est pas facile de, de s'intégrer parce que quitter, quitter, le Sénégal et mhm. aller en Italie, c'est comme changer au monde. C'est d'abord la barrière de la langue. il faut apprendre la langue c'est pas facile. En fait, avant, euh, je ne parlais pas italien, mhm. je parlais français parce que euh, j'ai suivi euh, mes études ici. Mhm. J'étais à l'IMAC, le d'accord. de Dakar. mais maintenant, c'est le contraire. J'ai des problèmes à parler le français et je parle bien l'italien. Donc, quitter le, Sénégal et aller en Italie, c'est comme changer le monde parce que ici, tu laisses tout le monde, ta famille, euh, tes amis aussi, ton école, et aller euh, dans un pays où, tu connais simplement euh, tes parents, euh, ta maman et ton papa qui, qui te laissent d'ailleurs euh, chaque matin pour aller au, travail. C'est ça la réalité européenne. Donc c'est pas trop facile. De... pas facile, mais quand même vous êtes arrivé à, à, creuser votre sillon, on va dire, à, vous faire un, nid là-bas. Non seulement euh, vous avez pu faire de la musique, mais surtout vous êtes étudiante en, cinquième année. alors j'imagine que vous êtes bien intégrée. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs italiennes qui épousent celles sénégalaises Autrement dit, qu'est-ce que l'Italie et le Sénégal ont en commun ah, c'est trop difficile. C'est trop difficile comme question. Non, je sais pas vraiment. L'élégance des gens, les, ah, Italiennes sont aussi élégantes que les, non, mais je les Sénégalaises. <laughs> non, mais <laughs> l'élégance euh, sénégalaise est, vraiment unique, donc c'est pas la même chose du tout. D'accord. Les Sénégalaises sont, sont, très élégantes. Bon, l'Italie aussi, euh, donc euh, on dit bien que c'est le pays de la mode, donc. Surtout Milan. Oui. on en reparlera dans la deuxième partie. Merci Coléa. À 7h19, je vous propose la page actuelle de ce magazine. Le journal, c'est tout de suite. Oh, titre de cette édition, visite du président en Arabie Saoudite, euh, Macky Sall a pris part à la euh, cérémonie euh, des manœuvres tonnerres du Nord. On parlera aussi dans le journal de la clôture du Next Einstein Forum, comment faire de l'Afrique, la prochaine plateforme pour les sciences. Réponse tout à l'heure et puis insuffisance rénale chronique. Aujourd'hui, la transplantation est sérieusement envisagée. René, c'est à toi. Tout à fait, Nafi, mesdames et messieurs, bienvenue merci de nous accueillir chez vous. On parle d'abord de cette visite en Arabie Saoudite du chef de l'État. Je vous le disais, Macky Sall s'est entretenu avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées. Dans la foulée, le président de la République a pris part à la cérémonie de clôture des manœuvres tonnerre du Nord. Il s'agit d'un exercice destiné à préparer les troupes de la coalition des pays arabes et musulmans à faire face aux groupes terroristes. Envoi spécial en Arabie Saoudite, Pape Biram Bigengay. C'est un exercice militaire de grande envergure, l'un des plus importants du monde et qui se déroule en plein désert à Raf el-Batin, au nord de l'Arabie Saoudite. 20 pays arabes et musulmans y participent, dont 8 nations africaines, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Tchad, le Soudan, la Tunisie, Djibouti et la Mauritanie. Ce sont des manœuvres militaires exécutées dans des conditions réelles, en zone de guerre, avec des lance-missiles, des avions de chasse de type F-16 et un arsenal de combat hyper sophistiqué. Le tout dans une approche tactique de très haut niveau, une stratégie de combat antiterroriste. Cette opération militaire est baptisée Tonnerre du Nord, la puissance de feu et forces de frappe avec un armement militaire de dernier cri. Cette opération militaire vise à former les troupes à la lutte contre les groupes terroristes face à une menace sans cesse croissante. L'exercice se déroule sous plusieurs angles, des angles d'attaque soigneusement pensés et exécutés avec munitions. Il fait intervenir les forces terrestres, aérienne et navale. Un signal fort lancé par une coalition de pays arabes et musulmans pour préserver la sécurité des populations et la stabilité politique. Le président de la République Macky Sall a réitéré sa volonté d'œuvrer pour la paix et la sécurisation des lieux saints de l'islam. Les relations entre le Sénégal et l'Arabie saoudite ne datent pas d'aujourd'hui et le lien est si fort que par devoir de mémoire et de solidarité, notre pays s'engage résolument vers la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Autre titre ce matin, la clôture hier du Next Einstein Forum, la première édition de cette importante rencontre scientifique a réuni des chercheurs, enseignants et sommités intellectuels du monde entier. L'objectif est clairement affiché, faire de l'Afrique la prochaine plateforme pour les sciences. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre. On voit tout cela avec Awanyaï. Le premier forum africain de la science s'est tenu au Sénégal. Le Next Einstein Forum a permis de démontrer que l'Afrique a d'énormes potentialités scientifiques. Diamniadio a accueilli des talents dans plusieurs domaines de la science. L'objectif est de créer une communauté scientifique panafricaine. Ce plaisir est d'autant plus grand que le forum se tient ici, dans le pôle urbain de Diamniadio, où une nouvelle ville est en train de se construire depuis seulement plus d'un an, sur l'initiative du chef de l'État, le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall. ville universitaire qui accueille l'université Amadou Mokhtar Mbou en chantier juste en face du centre de conférence où nous sommes. Université orientée vers la science, la technologie et la professionnalisation avec des masters spécialisés en sciences pour préparer la jeunesse africaine demain dans le combat pour le développement. Diamniadio, qui abrite la cité du savoir, cité de science par excellence, avec ses pôles de recherche, innovation, transfert de technologie, ses incubateurs, sa maison de la science et son parc scientifique. Donc Diamniadio, ville scientifique, qui accueille avec plaisir et fierté un forum scientifique international, le Next Einstein Forum. Améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer les partenariats entre les universités et le secteur privé pour faciliter l'insertion des jeunes scientifiques, le Next Einstein Forum, c'est aussi mobiliser les ressources pour la recherche scientifique. Je dirais juste un mot qui est celui de merci et exprimer au nom du président Macky Sall toutes nos félicitations à vous tous pour les réflexions et discussions que vous avez mené sur les voies et moyens pour relever le défi de l'acquisition technologique. Il s'agit entre autres de la construction d'un système de recherche et d'un enseignement supérieur répondant aux standards internationaux, du développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le continent, de l'implication, de la nécessaire implication du secteur privé domestique et international, de la valorisation des résultats de la recherche, du transfert de technologies et de l'innovation, de l'élaboration de documents nationaux de politique scientifique pour chaque pays, tel que recommandé d'ailleurs par l'Union africaine, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que les partenaires internationaux, ont émis des idées ambitieuses afin d'institutionnaliser le Next Einstein Forum. Le NEF est une nouvelle histoire pour le développement de la science. Les scientifiques qui se sont rencontrés à Dakar vont conjuguer leurs efforts en vue d'assurer une croissance durable en Afrique. La chronique du jour à présent, elle s'intéresse ce matin à l'insuffisance rénale chronique, je vous le disais, elle est de plus en plus répandue. L'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque connus. Quand la maladie s'installe, il faut recourir à la dialyse. Aujourd'hui, on envisage sérieusement la transplantation, une activité à encadrer scrupuleusement et dans le respect de l'éthique, pour qu'une partie de l'autre fasse vivre un autre. C'est une chronique signée au Diaw. Le rein joue un rôle fondamental de filtre épurateur du sang dans l'organisme. Il arrive au cours de la vie que cet organe vital perde sa capacité et ses fonctions. C'est l'insuffisance rénale qui généralement évolue insidieusement à bas bruit. Quand elle se déclare enfin, c'est qu'il est déjà trop tard, la chronicité s'étant définitivement installée. Une fois ce stade atteint, il faut recourir à la technique de la dialyse pour maintenir le sujet en vie. La fréquence de ces opérations est variable selon le niveau d'atteinte des reins. Il s'agit de séances longues et difficiles à supporter au plan psychologique malgré tous les efforts d'humanisation des soins. Et même si on parle de gratuité, il y a toujours un coût supporté par le malade, si petit soit-il. Les limites objectives de la dialyse font que de plus en plus, on pense aux dons d'organes et à la transplantation. Le Sénégal s'est doté d'une loi dans ce sens, mais on n'est pas pour autant au bout du chemin sinueux. Le plateau technique n'est pas tellement le problème, c'est le don volontaire qui polarise la réflexion. Pour réussir une transplantation, il faut trouver un organe histologiquement compatible et ensuite se battre contre le phénomène de rejet. Notre organisme sait reconnaître le soi et le non-soi. On peut toujours le tromper par des immunodépresseurs, ce qui n'est pas sans conséquence. Il y a bien sûr plus de bénéfices que d'inconvénients à cette intervention, dont d'organes a-t-on dit, vente, car dans certains pays, c'est le cas. Pour franchir le pas, il faut de véritables ruptures psychosociales pour qu'une partie de l'autre continue de faire vivre un autre. Voilà, pour cette chronique, on en vient à l'actualité à l'étranger en plus bref, avec d'abord le Japon qui commémore le tsunami et l'accident nucléaire survenu il y a exactement 5 ans et dont le pays n'est pas encore remis. Quelques 18 500 vies ont été emportées par un raz de marée d'une ampleur telle qu'il n'en survient qu'une fois par millénaire. On dit des anciens au Japon, les corps de 2500 de ces personnes restent toujours introuvables. Et puis, une autre image d'un déserteur du groupe État islamique qui a volé des fichiers à l'organisation terroriste et qui les a remis à la chaîne britannique Sky News. 22 000 noms de djihadistes issus de 51 pays différents y sont notamment répertoriés. Ces milliers de pages sont en fait des fichiers d'identité, le dossier personnel de chaque membre de Daesh, des documents saisissants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous le rappelle, l'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. À, lundi. Tout cela est fort bien dit, René Léon Fonseca, merci. À lundi, mais d'ici là, euh, tu euh, ben, viens partager avec nous le reste du plateau. Enfin, tu viens partager avec nous le reste de ton <laughs> ici même sur le plateau. Et avant cela, moi je te recommande alors euh, la betterave. Euh, c'est la page santé de ce matin, la betterave alors qui contient de la bêta-cyanine et aussi surtout la betterave rouge très riche en fer évidemment. Euh, ça permet évidemment donc de lutter contre les toxines qui se trouveraient dans le sang. Donc ça permet aussi évidemment une bonne circulation sanguine. Autre bienfait, ça donne une certaine qualité de vie. Je ne sais pas si dans tes salades tu utilises la betterave. Euh, j'en consomme très rarement, hein, j'avoue. <laughs> J'avoue, hein. mais à pas. Bon, après, on va demander à nos invités s'ils adorent la betterave. Toujours est-il que, à 7h30, je vous propose une page de publicité suivra à la Minute Gag.